novembre 2024, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à votre avant-dernier rendez-vous de l'émission Les Niger sur Kalangou de la semaine. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Je suis Habiba Ahmed et à mes côtés Mariam Adi. La technique est assurée par Seni Isaka, Adam Adawaki et à l'édition. Bonjour Mariam, comment vas-tu Je vais bien Habiba et toi Ça va bien, Dieu merci. Alors rappelons-nous les programmes de ce matin. Comme d'habitude, Habiba, nous offrirons à nos auditeurs un programme costaud qui commence avec le flash d'information. Il y aura une bonne musique à 100% nigérienne, comme toujours, et évidemment les lotis avec les femmes du studio Kalangu, la rubrique sport et de la culture linguistique. Ensuite, nous ferons un tour en région. Dans la partie entretien, nous irons à Maradi, plus précisément à Koromota, une zone connue par sa forte production de sushis. Chers auditeurs, restez branchés pour savourer ce, ce vaste programme. Top, c'est parti! Voilà, sans plus tarder, voici le flash d'information avec Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour à vous Habiba et Mariam. Bonjour, à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Dans une circulaire en date d'hier, mercredi 27 novembre, le ministère de l'Éducation nationale du Niger a ordonné la suspension immédiate de certains contenus des programmes scolaires du primaire et du secondaire. Ces derniers sont jugés contraires aux valeurs socioculturelles du pays. La ministre de l'Éducation, Dr Elisabeth Chérif, a préciser, précisé, je cite, que cette décision s'appuie sur une analyse préliminaire des programmes qui relèvent des éléments portant atteinte à nos valeurs socioculturelles et suscitant des désaccords au sein d'une importante frange de la population. Plusieurs ex-combattants du Front patriotique de libération FPL et du Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger MJRN ont officiellement remis leurs armes hier mercredi 27 novembre à Agadez, rapporte à Info. Ces anciens combattants combattants ont été accueillis au camping municipal par le gouverneur de la région d'Agadez et ont été conduits de Dirkou à Agadez par le chargé de mission à la haute autorité de la consolidation de la paix. Enfin, les trois chefs d'état-major des pays de l'Alliance des États du Sahel sont en réunion à Niamey cette semaine. Selon le chef d'état-major des forces armées maliennes, le général de division Oumar Diara, ils sont venus rendre compte au chef de l'État du Niger les conclusions de leur réunion tenue mercredi dans les locaux de l'état-major général des armées du Niger. La réunion a été fructueuse et permis de partager beaucoup d'informations avec une convergence de vues sur l'environnement géopolitique et sécuritaire la région. C'est la fin de ce flash d'information. Merci bien, Nefissa. Passez une excellente journée. Je vous souhaite pareil. Eh Comme annoncé plus haut, le sujet de la culture du souchet est à retrouver dans la partie entretien du jour. Nous en saurons tout sur cette production d'un peu de temps. Mais avant, d'abord la première chanson de notre sélection d'aujourd'hui. C'est parti. l'aurez deviné, c'est le titre que vous êtes en train de déguster signé Fé Saadou Abdou, plus connu sous son nom d'artiste Saadou Bouri. C'était un chanteur, compositeur et batteur. Il a débuté sa carrière musicale dans l'orchestre Gourba de Maradi avant de rejoindre le mythique orchestre Carnaval de Maradi dirigé par son oncle Fé Hassan Garba. Avec l'orchestre Carnaval, il a connu la gloire et porta haut le flambeau de la musique nigérienne, toujours en quête de son chemin, que la terre lui soit légère. 哎。 la pause musicale, chers auditeurs, passons à la première partie de notre entretien du jour. Selon Sabiou Haruna, un producteur de souchés pour mettre les semis en terre, l'activité consiste à chercher une charrette ou un chameau sur lesquels un jeune monte dessus pour pulvériser les semences et après ajouter des engrais en attendant l'arrivée de la saison pluvieuse pour l'arrosage. Notre collègue Assouman Aboubakar a rencontré ce producteur sur place en pleine activité. Écoutons. kuma menene kuke nan ga gidan nan ƙuran mota miki na inda kuka zo na inda ake aikin aya ne da ni masu sasaka da masu raka ita ayaya ne ake aikinta ita aikinta na farko ana zawa a share wuri in aka share wuri a zo a zo da aya da kurege ai ka san shigo a sai ka kwatanta yawa yana na wanda ake riƙe haka dabba na ja yawa tana ja tana ana zubda da haka daga baya kaɗan kaɗan biyu biyu uku malaki yana ja ko raƙumi da yaro sama ana ja ana shibka wani na dafa in aka ƙare shibka kuma sai a zo kuma a sau takin Allah kawo ruwa sai a zo a kawo taki a zo a watsa in aka watsa taki idan ta kara kwana biyu aka ga da haki a zo a nomi kuma aka sake kwana biyu aka zo a gani da haki a zo a sake nomiya idan aka zo aka nome in aka ga ba haki da kyau da kyau sannan sai a zo yan hakkin da ke da guda guda da aka ra kuma abu a ciccire shi a ciccire shi a zo da idan kuma aka zo aka kare wannan daga baya aka zo to kuma abin da ke daga aya a zo a diba in taki ya isa to in ba isa ba kuma duk takin da kasa sai ka sake sau wani ka zo ka kara sa'a idan baka sau kasa ba wannan sai kamar misali ka sa buhu hamsin kamar wanga fili to in kasa buhu hamsin in bai da isa ba sai ka zo ka sau ko buhu goma ne ko 20 ka zo ka kara sannan ta da wancan saura idan baka sa ba har wancan na farko sai ba ka gane yadda kake ni eh in dai magana harka aya ce haka nan ne ita yanzu kamar kwara kwara ne ake shifka ta ko kowa tsaka ne ake a'a ai na ce maka da kwai kurege go mm. wannan wanda na nuna maka da ai hanya kamar shin suna noma ne suke yin kamar hakan inda shi ma za a darma shi laƙumi yana ja ko malaki yin yanda ake haka yin mm. to shi haka ake rikiya kurege inda mun je gida sai in gwada ma shi irin na gujiya yawwa shi shi rike dabba tana ja kamar wani kai kana rikewa sai a cika wani dan kundu eh, yawwa aka cika yawwa aka cika yawwa ana zuwa ana dawa ana yin haka kamar haka metar haka in ka je nan ka tafi daga kuyi haka in ka dawo sai ka azo ga taya haka haka nan ne aiki daidai misali da haka nan ne ake aikin shi ita yanzu kama misali in na sa ana iya aika ne nan wurin ko ko dai ita dai daidai hilin ka ne kake zuba a dama daidai gona ka ne na aika ga bakin gona ta cina eh, kama yanzu buhu nawa ka sa na taki ko na aya na aya na aya ana iya asa buhu biyu nuwan ga hili ai kaga shine can har can tukun ana da cikin aiki ne in ka sanya buhu biyu kana iya buhu duka kawo mishi buhun da ya kai sha biyar ma wani har ashirin in ya kama daga hali ne kana iya ka zuba in shekarar ruwa ce buhun na kalilan sai su biya in ko ba shekarar ruwa ba in shekarar ruwa ce kwarai sai ma ka linka abin da ka linka dan kamar in ka sa buhu 20 in shekarar ruwa ce sai ma ka ƙara linka ka sa buhu wajen arba'in ga buhun nan ishirin. ana iya haka ita kenan aya sai da taki sai da taki na zamani E na zamani ba sai da taki na zamani to ya ake sa taki shi taki yanzu ne in muka zo nan muka dauko shi muka zo muka so shi muka zo in muka zo sai mu yadda guda in can guda can guda can guda can guda a haka sai mu tattalla shi in muka zo sai mu zo mu dauko kwanoni mu zo muna yi muna haka muna watsa wani in muka iba muka watsa haka sai tun inda za a game da wani ne ya game da wani inda ya isa mu gani in ta kwana biyu ta ma sai ta dan kwana biyu ko kwana uku ko kwana hudu sai mu zo mu je waya mu gani inda taki ya isa sai kaga ta kama da kyau ta yi baki ta yi kyau yanda da ka zo ka za yi ba ba idan bai kama ba kuma sai tara gida gida da ja inda bai kai ba da ja sai ka sake sawa kuma wannan wuri inda gurbi gurbi gida gidan nan sai ka sake sawa ka zo ka kara bi ka da ka sanya sai ka tada wurin sai ta tai daidai duka gaba ɗaya kamar wata nawa wata kamar wata uku wata uku tun dai tana da ruwan ta a launi tana iya ta yi yanzu bayan wannan wata uku in tanina mhm. ya ake kuma muke biyowa baya bayan wata uku in tanina a yanzu ka gana saran haki ne muke na wanga hakin daga sai mun sassaƙe shi mun bi shi mun sassaƙe sannan a zo a sa wuta a toye ai ka gani ai ba tara kwa da wanga gashi ai ka gama ko sai aka zo sai a sa wuta in aka janyi wanga aka so aka sa wuta abin ya toye sai diyan can kasa su ne ake bi an raka suna bi suna ralakiya kuma yanzu kamar wanga aiki yana iya duka muku wani lokaci ba wata uku na wannan aiki da aka yi yana duka wata guda ana aikin ta ga asa cikin buhu a'a ba a yin wata guda kamar da yanzu wanga hili in dai da ma'aikata ba a yin wata guda kamar misalin da ana yi kwana goma aiki duka kowane yana tafiya da yadda ake so ana yi kwana goma ana yi a kare wurin san wurin na ga ana sha da raƙumi menene suke nan ga ita noman ne suke su ke noma ma in suka noma ga su sai su bi suna lalake har maimakon su kwarta da kansu shine sai a nome musu su sai su sa malalaki suna irin kamar wani aiki nan ma sai da aka nome ne suka bi suna lalaka kamar sauƙin aiki ne ake kawowa gaba ɗaya kuma duka da hannu ne ake komi da komi duka ai kana kallo da hannu ake komi da komi Chers auditeurs, avant de poursuivre notre entretien, faisons un autre tour en musique. Tu nous proposes quoi, Maria Haïba, je vous propose Sen Mega avec son titre Umuyaye Titiaye. On écoute. رسومات فوقها حليمة تلني حليمة تلني هيفو منا ما جلو ميغا تبارك الله Isaka Antara Disseni a débuté sa carrière musicale en 1993 au sein du groupe Wakabana qu'il quitte pour rejoindre le groupe Anashwatal National. En 2011, Seni crée son propre groupe dénommé Murna, un groupe avec lequel il ambiance régulièrement la capitale lors des cérémonies de mariage. عليك الله يا اخي زينب ما Titi Aye de Sénéméga, chers auditeurs de la deuxième partie de l'entretien, Sabio Haruna nous parle de vertus du souchet, les bénéfices de sa culture. Nous explique également qu'il y a deux types de souchets, le gros et le petit. On découvre tout cela ensemble avec le producteur. Il est toujours au micro de Asman Aboubakar. yanzu ita aya ah, mine ne amfaninta mu gare mu wanga amfaninta ba karamin amfani bane ba saboda aya mu mu na yana ba mu da wani abin da ke ba mu kuɗi kamar ta inda Allah ya sa ta zo kuma idan ba ta samu ba kuma kana gada maka zo ka sai takin ka kawo irin ka kasa. sa kuma ai duka ta kiya kwata kwata ka yi hakuri da ita shikenan sai kuma ka budi wani jalli in kana da in ba ka da shi kuma shikenan saboda kaga hakin ta wanga dabbobi ba su cin shi idan ba da amfani yawwa wanga dai ba da amfani in ka sa ka samu shikenan in baka samu ba kuma shikenan bakin ka inda ai ba ta zai kyau ka samu ba da wani ga wurin kawai sai dai ko jiwa shi ba ma ƙara zawa in ka samu ne za ka zawa ka yi aiki in baka ka samu ba kuma ba magana ka sake wura cikin nan ta kada ka. to ita ya bana za mu magana wa damana bana. damana bana gaskiya sai dai godiya Allah fa kawo ruwa fa yayi amma saboda Allah akwai matsaloli ga ci maka. a azancan aya ita aya ta bada. to wani wuri ta bada wani wuri kuma bata bada ba tunda da yawa za ka zuwa ka tarda sai haki kamar in wurin ba tara kuwa dole barin ta za kai wani kuma ta ba shi ikon dan raka haka nan. yanzu suwa ke amfani amfani da wannan ayar kamar ga nan ƙasa koko eh, nan ƙasa ko wani wuri kuma. Ha ah, inda ake amfani da ayan nan yawa gare shi nan farko dai gwamnati na amfani da ita tun da aka da mun zo nan wurin yanzu an zamu toye wanga wurin in zamu wanga aikin sai mun je wurin sarkin da mun ciro takarda in muka ciro takarda sun ba mu izinin ki na mu zo mu toya idan muka zo muka toya sai mu kama aiki bayan haka na aka muka toya aka raraka muka biya yan aiki wa'annan to kuma sai mu ɗauke ta mu zuba gabuhun nan mu taimaka kai kasuwa in mun je kasuwa tun daga nan wurin kasa tana amfani da shi mu biya mota mu biya menene mu biya yan dako a kai buhu kuma alhali in muka je can ba za mu shiga kasuwa ma sai gwamnati ta ba mu resi na na mun shigo da aya su ma mu ɗauki kuɗin su mu ba su sannan mu je mu sabki sannan mu saida idan muka saida kuma yan asangam da yan wani ne su ma su zo su ce su ma nasu suke su to kaji alhali a nan ƙasa dai abin da ake amfani da to su ake sayanta aya a yan kasuwa ake sayanta yan nan ne yan Nijeriya ne yan ina ne duka akwai yan Najeriya har ma wanda an ba yan Najeriya ba akwai akwai yan Nijar akwai yan Najeriya duka suna sai kwarai ma aiki ku akwai samun cikin shi ko ko sabo dai ne yau da kullum to gaskiya samun dai ba na kowa bane saboda dai gaskiya harka a wanda dai yake da jallin shi shi na kan shi tasa jallin ya kare gaskiya ya hiyawa, yan ma bar noman ta dole abin ya hi karhin shi nan na ga kamar aikin ƙananan aya to ni ne bambanci da manyan aya eh akwai bambanci kwarai ko ita ga karama aya da ita da maya ba ɗaya ba saboda ita karama aya kaga ana iya a zo a wani wuri ma cikin kasan mu mana suna iya yanzu nan kamar yanzu kamar wajen da magaran nan kamar yanzu ga ayan za a ma wata sabga ma sai sun sai sun sayi ta an rarraba kamar yadda ake raba da bino wurin suna da biki suna zuwa suna sai kamar nan caɗuwa su sai su tai da su can inda aka je sai a kukkulla ana ana burin biki ana babba da ko kuma in ka zo ganin gida mutum ne na can ya zo nan ganin mu shi bukatar shi da ya dauki aya ya kai ita ake marmarin a gani eh kaji abu muhimmancin aya nan kwarai to ita babba fa ita ma babba duka haka nan ne amma ita ga inda za a yi unhwani da ita abin da ake yi da wagga ana aiwa can ba za a yi da shi ba tunda mu dai mu san abin da suke sarrafa ba eh amma ana kunan aya to bamu sani ba kowace ce da kankanan da mayan kowace ce ake yi gaba ɗaya koko wata ita ta hiba da mahimmanci sai dai masu yin shi kuma su suka sani kamar kai da ke aikin kanana kana yin babba ko ko dai mai yin babba duka muna yi duka tamu ce ni ni kan kaina ina da mayya ina da kanana kowace sa'a miki to wacce ta hida dan aiki gaskiya ga ta hida dan aiki ko ga 'yan aikin ma wagga ta daɗin aiki tunda ita wagga sama sama take waccan sai inda za ta shiga sai ta shiga ƙasa sai an yi gina kwarai sannan a tono ta eh wagga ita ce za a bi sama sama haka sai a kwarta ta haka nan ai ka dai gani to amma ita wacce mai ya ce ginin da za a yi sai ya yi wanga inda take shiga cikin ƙasa ciwon ga aiki kama gadon shi ne kuka yi ko shiga shi ne kuka yi ko ko kuna yi ne kuma akwai mushannin gona suna taimaka muku ya ni kuke aiki gaskiya ga gadon shi muka yi mushannin gona ba wani taimakon da suke muna ba wani abin da suke ba mu magana taimako babu kenan da iyawa ce kawai iyawa ce yawa mun gani ga uwayen yawa mun gani gare su ne muke ko muka bisa dai gwalgwaro bisa dai aikin a mun san komi nata nan Nijar an san kamar jihar nan ku kadai ke wannan aiki eh kwarai ka yanzu cikin ta yadda ake an samu wasu da suka zo daga wata jiha suka zo wurin ku suka ce suna son su koyi wannan aikin na a'a ba su zo ba Ai yanzu dai ba to za a ci ba a zo ba saboda abin da za a ce maka wasu sun zo kamar da kamar mararakawa an ga kai har dai masu shimkan ma kamar nan wajen doso na ji wai tunda ana zawa na ana ɗauka yan kamar yan raraka irin an ga suna zuwa can suna musu akwai wani mutum nan da radio diya na ji na ji har bana ma na ji wani ko nan wajen ya mai ne shi ma na ji yana cewa suna zawa na jihar mara suna ɗauka masu zuwa sai an ɗauka nan wannan ake ɗauka su aje su shibka ka zo ka ɗauki an aikin da raƙuma kamar irin wa'in su je su shibka muka sai kuma an lokacin raraka ya kamar irin wannan kuma sai ka zo ka ɗauki an raraka kuma su je su rarake muka ka biya su yanzu nan cikin yaran ka ba wanda ya taɓa zuwa wani wuri ya koya ma wani ba wanda ya taɓa zuwa koya ma wani to yanzu shi wannan samun na aya bayan ka kimmala komi an sa buhu an kai kasuwa an saida wani amfani kake da samun da kai to samun aya ba karamin amfani muke da shi ba banda a haidda dai magana hatsi ba duka yake isan mutum abinci ba dan doman da duk da kake ba isa ka kai da iyalinka amma yanzu wanga aikin aya shine za mu dauka in biki ya same ka kai in suna same ka kai in wani dan uwa zo ka taimake shi duk wanga bisa kan aikin ga aya ne Un coucou à l'endroit de toute la population des Maradis qui nous suit sur cette émission à travers ces reportages. On prend une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit et nous allons parler aujourd'hui de l'éducation numérique avec Ousmane Mahmoud. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, de notre de notre rubrique éducation numérique, nous abordons un sujet sensible mais important, la gestion de notre patrimoine numérique après notre décès. Ousmane, vous êtes ici avec nous pour nous éclairer sur cette problématique. Dites-nous qu'est-ce qui motive cette réflexion aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est un sujet important qui touche à la fois la vie privée, les droits numériques et même la protection des proches. On en parle en fait aujourd'hui parce que euh, cela fait euh, une semaine euh, à peu près que le gouvernement japonais a encouragé ses citoyens à planifier leur fin de vie numérique. Alors l'objectif pour euh, ce gouvernement, pour ce pays, c'était de simplifier la gestion des comptes et des abonnements numériques après un décès. Euh, cela afin d'éviter des situations souvent complexes pour les familles. Ousmane, concrètement, quels problèmes ont poussé les autorités japonaises à agir dans ces domaines alors, certaines familles japonaises ont rencontré des difficultés euh, pour annuler, par exemple, des abonnements ou accéder aux appareils euh, d'un proche décédé, faute de connaître les mots de passe ou identifiants nécessaires. Donc, euh, je vous laisse imaginer qu'une carte bancaire qui soit encore débitée pour des services qui ne sont pas du tout euh, utilisés, ce n'est pas du tout pratique, ou que des données sensibles restent euh, toujours accessibles en ligne. Donc ces situations euh, créent vraiment des situations de tension et de soucis financiers. Et quelles sont, quelles sont les solutions que le Japon propose-t-il aujourd'hui à ses citoyens pour prévenir ces problèmes Alors le Japon recommande plusieurs mesures pratiques. D'abord, il dit qu'il faut s'assurer que les proches puissent déverrouiller les appareils personnels en cas d'urgence comme les smartphones ou les ordinateurs. Ensuite, il faut tenir une liste de ses abonnements, de ses identifiants et mots de passe dans un document qui est accessible à une personne de confiance. Et enfin, ils disent qu'il faut utiliser des services numériques qui permettent de désigner un héritier euh, numérique. Aujourd'hui, vous avez des boîtes qui se créent justement pour permettre ça. Des plateformes aussi euh, comme Google ou Meta offrent déjà ces options-là. Ces recommandations semblent simples et efficaces, mais qu'en est-il chez nous au Niger ou même dans d'autres contextes africains alors ici aussi au Niger, nous accumulons pas mal de données numériques sur les réseaux sociaux, dans nos messageries ou encore sur des plateformes de services en ligne comme Netflix, Spotify, etc. Mais en fait, peu de personnes pensent à leur gestion euh, après la mort. Pourtant, ces données sont précieuses et parfois très sensibles. Alors dans certains pays, vous avez, euh, on a par exemple euh, la notion de droit à la mort numérique qui permet de désigner une personne de confiance pour gérer euh, les données après notre décès. Et ce modèle pourrait par exemple inspirer des pays comme le Niger ou d'autres pays de la sous-région. Alors Ousmane, pouvez-vous nous donner quelques conseils pratiques pour mieux gérer notre héritage en numérique Alors, je vais vous donner, donner quelques conseils en, cinq étapes qui sont vraiment aujourd'hui... Euh, cités un peu partout. Euh, premièrement, on dit de faire un inventaire euh, de vos comptes et mots de passe. Vous pouvez par exemple les noter dans un document sécurisé ou utiliser un coffre-fort numérique, parce qu'il y a aujourd'hui des applications qui permettent de stocker des échantillons de mots de passe, on les appelle, de stocker tous vos mots de passe en un seul endroit mais il vous faudra un mot de passe principal qui va permettre d'accéder à, toutes ces données. Donc ce dernier permet en fait de conserver les données de manière très confidentielle. Deuxièmement, une personne, euh, il, faut désigner une personne de confiance. Là, il s'agit d'informer quelqu'un euh, de vos dernières volontés concernant vos données numériques. Par exemple, est-ce que vous voulez que vos, compte soit supprimé ou transformé en compte commémoratif. Ça, aujourd'hui, on le voit beaucoup sur Facebook. Quand des personnes décèdent, souvent, euh, le compte, vous allez voir qu'il y a une colombe avec euh, une feuille de laurier euh, sur le compte. Donc, ça signifie que la personne est décédée. Alors, en troisième position, vous pouvez utiliser les outils qui existent déjà. Par exemple, les grandes plateformes aujourd'hui comme Google, Facebook ou Instagram permettent de désigner un contact légataire. Ils appellent ça comme ça. Et il suffit juste euh, d'activer les options dès maintenant si vous, utilisez ces applications. En quatrième position, il faut éviter les euh, comptes inactifs en supprimant les comptes qui ne sont pas du tout utilisés. Donc ils sont souvent des cibles pour les pirates informatiques qui peuvent s'en servir euh, pour des activités frauduleuses. Et le cinquième conseil, on dit, c'est de rédiger un testament numérique. Euh, donc il faut envisager euh, de formaliser euh, vos volontés auprès d'un notaire ou d'un conseiller juridique. Et tout ça pour garantir une meilleure sécurité juridique pour vos proches. Ces conseils sont très utiles, mais pourquoi beaucoup de gens, tout cela, mais pour beaucoup de gens, tout cela reste encore flou. Pourquoi est-il si important de planifier notre fin de vie numérique Alors parce que vos données personnelles ne ne disparaissent pas après votre décès si rien n'est fait, elles restent disponibles sur Internet et peuvent être très mal utilisées ou causer des problèmes à vos proches. Donc planifier sa fin de vie numérique, c'est non seulement protéger ses données, mais aussi euh, épargner euh, des tracas administratifs et, émotionnels à ses héritiers. C'est une question vraiment de responsabilité numérique avant tout. Merci beaucoup Ousmane pour ces éclairages appréciés. Chers auditeurs, c'était votre chronique éducation numérique. À jeudi prochain, Inch'Allah. À la semaine prochaine. Merci, bye bye. Chers auditeurs, auditrices du studio Kalangu, allons pour un autre tour en musique. Cette fois-ci, on écoute Imi Dawan de Mouabob. Bob est né en 1963 près de Ingle, de la région d'Agadeza. Il apprend à jouer de la guitare auprès de Abdallah Obadougou au sein du groupe Takristin Nakal. Mouma fait partie de ces artistes qui ont rejoint la rébellion Touareg dans les années 90 et qui ont utilisé leur talent pour la cause à Touareg. lui vient de la coupe de cheveux qu'il portait à l'époque, long et tressé. Après la rébellion, Mouma forme son propre groupe Imalawan connu, tous connu dans tous les Niger et qui est composé de 13 musiciens et danseurs Peul et Touareg. Dans ses chansons, il appelle à la paix, à la solidarité. Mouma Bob est décédé le 11 juin 2016 à Ouagadougou des suites d'une courte maladie. Eh bien, place à présent à l'écho de région. Et eh oui, dans la rubrique Éco des régions, nous partons à la découverte du groupement Nané du département de Balayara, région de Tilabiri. En effet, à Balayara, plus de 30 femmes du groupement Nané travaillent dans la transformation agroalimentaire, la production de la pâte d'arachide et les maraîchages avec l'appui des autorités locales et les partenaires financiers. Écoutons le reportage de Mamata Dandakoy. gurup mananai woibore ina kamba dan char kamba ga igo ginge kamba goi dondo atin ni kulu no igi char kubai inga turi nyongo chire wadun fandara sata fo kango inga bongorai ra akandi se kamba ga gisine hankanti i kamba goi yodo har mugoyo wo kanidir gote gote ti ga daga ya ite safuni yang bulanga ji tusiyan wani ga ham ga wani ita irgite turare yan mashino wo fanda so istoro modi nga daino kandir se mashina yiwa a kandir se tiga daga mashini yan a kandir se hamnin da ya jifufiyan mashin da awarayo nga ino mashina yiwo bufu kandir dandanan da ga bagumu zamhala kandir se woni wo jina bisimillijinaaday lokkol ni feerirsi lokkol wo ir jin ka cawara ir kul ir du diplom diplom ay banda son kan jiro ye ka bare ye ka ye kan se lokkol wo koyni ir ye ka caw zarmici ni cawo ni ka ka ir dondona hiddu du portable ir wani mo chaw yango zam hun kun borga lamba da ni bon se ni portable ga din sine bor fo se gunai se da letar da no ligi te zarmici ni char se ligi char ha bilana mata ga hamo ir ga wani hantum ir ga wani chaw yang wani wo kul gobni no kan storam kan dirse sato wane go inga bongorai ga halaga ka matikin no aran go grupo ke drawo boryandin ir grupo de ato biru wai kindi taki kindi gontara ni furso ir go kerbandi 2012 ka hunkuna ne dai ni go ka te zam lokaci din idda alfala borai har manasu borai din kulken ranir to kan bata na. son borkul te kan kamba kure kure ir woni yai dai turo kin ni gate ir mu margo ir ma ifakar ir sai turi hinza atinno hani ir gam kera margo ne ir te kali ikandir se tomati poivre yan kandir se saladi yan ir bon se ir da mis gere ke ki ir idduma bon se bumbu hada rogo nya no idduma wura wora nga ko fosine dai kali mutun kai ngai bonga on kuru zanka koi wundu ko ni wani sinda kane zama hun kunun nan go kan indun ya to da borai al borai sinda haifo fo mo borga ingai bumbo bogo ke kindin ngai ya den ga hun borai wani gi kai ni bonga madi irko madi irkulsi ni min kan ba goyote din go te son ne go kirgo go dandan di ba funu borgin harite ni ga samba kauye ni gin ga te fu ka ga dai iri ye giye president do ir bor waran zikin di idduno ta ci kwakwa ir ga te zuba zuba hanni go go furma ci ni kurnyasi mashawara ga zama al bor fo yanga yadda kan alborfe mo siyad ay wala kaltan yo kai gito nan ji doka dai kici gundin go zubo wora guni bongo ga ni su koi kwara banda borfo ga ka jinda da wi filana garau wone bin daran wonno daran sambu aran ga ye ticar se bongo da bai da kan sin borfon ban kan da alborano ga ba garau ni koi ni garawa se kesu ga ni kwanda hanka hana du da non se me kaka ye ta hayo kul bongo da bai rana C'était le reportage de Mamata Dandakoy. On prend une pause et on revient juste après. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et maintenant, place à présent à la page sport avec notre chroniqueur sportif euh, Adam, <laughs> bonjour, bonjour, Adam. bonjour Bonjour. Adam, nous débutons cette page sport avec un mot sur les sports rois du Niger. Eh bien, la lutte traditionnelle arrive, chers auditeurs et auditrices. Dans le cadre des préparatifs de la compétition qui est organisée chaque année au Niger, Berninconi vient de terminer les éliminatoires départementales qui ont débuté la semaine dernière. Le président du comité de la lutte traditionnelle de Berninconi, Amadou Danwanzam, nous explique l'objectif de cette phase éliminatoire au micro de notre correspondant Asman Moussa Arzika. wanga zazzage da an kai alhamdulillah babu wata hitina ba ai wani hida ba ba ai komi ba an yi lahiya kowa babu wanda ba magayyata gayyata ba an zabe goma sha biyu waɗanda za mu taya da su buza mu da Allah zai da mu fatan ubangiji Allah ya ba mu nasara daga kudin huduna takwas takwas an ka hidda sha biyu cikin su kowace ta da takwas yanzu za a taya da su buza mu yi kwana goma can da su kenan ai an kai kwana goma abinda Allah ya ba mu shi za mu zakwa mu faɗa ma manya ga abinda man kai kuma duk wanda annan kasan mu ubangiji Allah ya ba ta lahiya kuma wanga gari kuma Allah ya ba mu kwanciyar hankali kuma Chers amateurs de lutte traditionnelle, c'est la région de Dosso qui aura l'honneur d'accueillir du 20 au 29 décembre 2024 la 44e édition du Sabre national. 44 ou 45e, madame 45e, autant pour moi. Pour finir, hier, nous avons annoncé trois rencontres dans le cadre de la quatrième journée de Super League nationale de football. Eh bien, hier, l'Olympique FC de Niamey a battu le Wombe de Maradi sur le score de 2 buts à 0. L'Est Douane a battu la Jeunesse sportive d'Ottawa sur le score de 3 buts à 1 et l'Est Garde nationale a battu l'Espoir FC de Zander sur le score de 1 but à 0. Le seul but de la rencontre est marqué par l'ancien attaquant d'Espoir FC, Barry. Quelle est la suite du programme de cette quatrième journée, Adam Eh bien, ce soir, il y aura le grand choc euh, entre le Sale Sporting Club et l'Ice Fan et la renaissance de Bokoti qui reçoit le Jongorzo Football Club de Maradi. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif. À demain pour d'autres informations. Merci Adam pour la page sport. La rubrique portrait de ce jour nous emmène dans les zones rurales où l'élevage représente un pilier économique essentiel. La prise en charge des animaux malades reste un défi de taille. Pourtant, grâce à des initiatives locales, des acteurs engagés se démarquent. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de Nana Fatima Modu du village de Guidans Ara, commune des Chadeaux Chadokori dans le département des Guidarumji, auxiliaire en élevage dans le cadre du programme de résilience. Hamzari, veuve et mère de six enfants, cette femme de courage s'est imposée dans un domaine majoritairement masculin. Suivez avec Mohamed Maman son parcours inspirant entre défis quotidiens et impact sur le développement local. Âgée d'une quarantaine d'années et de teint clair, Nana Fatima Moudi est auxiliaire en élevage, formée dans le cadre du programme de résilience de Hamzari. Désignée par ses pairs pour suivre cette formation, elle joue un rôle clé en prenant en charge rapidement les animaux malades. Elle mène cette activité avec dévouement, apportant un véritable soulagement aux éleveurs. J'ai suivi une formation de 20 jours de la prise en charge d'urgence des maladies des animaux. Cette opportunité m'a particulièrement motivée car le besoin est immense dans notre localité. Ce qui me pousse encore davantage, c'est qu'à Dakori. nous ne sommes que deux femmes formées dans ce domaine aux côtés de plusieurs hommes. Cela me donne une motivation supplémentaire. C'est comme une course de chevaux qui est lancée. Très attachée à son travail et dotée d'un sens élevé de responsabilité, Nana Fatima Moudi répond avec promptitude aux sollicitations, que ce soit dans son village ou dans les localités voisines. Toujours en mouvement, elle incarne un modèle de persévérance et de disponibilité pour sa communauté. Mon activité consiste à prendre soin de la santé des animaux à tout moment de la journée. Il n'y a pas de grande différence avec la médecine pour les humains, car l'objectif reste le même, prévenir et préserver la santé. Lorsqu'on m'appelle à domicile pour examiner un animal malade, il est impossible de diagnostiquer son problème à distance. Je me rends donc sur place pour observer et examiner l'animal, identifier la maladie et administrer le traitement approprié. Après le traitement, je fais un suivi régulier, souvent deux ou trois jours plus tard, pour m'assurer de l'évolution de son état. Dans la majorité des cas, l'animal retrouve la santé, ce qui représente un avantage considérable pour notre communauté rurale. Veuve depuis quatre ans, Nana Fatima élève seule ses six enfants et en l'absence de trois ans, cette activité d'auxiliaire en élevage lui offre une source de revenus qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille tout en lui donnant une motivation supplémentaire pour exceller dans ce domaine. Le premier bienfait de cette activité, c'est que je peux prendre en charge ma famille par moi-même. Avec mes six enfants, je réponds à leurs besoins alimentaires vestimentaire et éducatif. Grâce à cette activité, j'ai même pu inscrire l'un de mes enfants dans une école privée après avoir constaté que les résultats étaient insuffisants à l'école publique. Cela représente une motivation supplémentaire pour moi. De plus, au début, je me déplaçais à pied pour les consultations, parcourant des distances de 7 à 8 km entre les villages. Aujourd'hui, j'ai une moto qui me permet de travailler plus efficacement et de couvrir davantage de terrain. Malgré sa position de femme dans ce domaine majoritairement masculin, Nana Fatima Moudi est l'une des deux seules femmes à exercer ce métier dans sa localité. Elle ambitionne de former d'autres jeunes, transformant ainsi cette activité en un levier puissant lutter contre la pauvreté et renforcer la résilience des communautés rurales. Merci Mohamed Maman pour ces portraits, chers auditeurs et auditrices. Faisons une autre balade en son avec l'artiste Haïman qui nous chante Waye. nessa não barma, nessa, nessa não barma, nessa não barma, nessa não barma, nessa, yeah. Kawasugaye, gaye, paye garasu na laye, daye, indana jaye, nigera faya zama maraye, inara paya kare, wa ansu na tema ni maye, tisa pojom na haye, san iya waka sai safe ya waye, eh, yare ya sauye, kada kanu kusijuje, kenan da lafiya kakadahe katai mazahi dan na yaye waka mai sa na suna shaye dahi gare ni kenan ku shaye shi za shi hawaye komi gare ka zo na yi ka zo ba mai cecon karan ka ni ka so hoso ni za a fani a nan na gaza kana fasa kana girman kana nunan kai wai babu kaman kai to yaya an kai yau gashi mun bari wannan zancen wannan shi ya tai ya maza ya zo kajini kasani kasana ina hito kama njia inazaka nazaka waza ya imagana kama njia inazaka nazaka waza ya imagana waye gatanka padamani waye gatanka tanka tanka waye bayanka padamani wake na banka doke mataki kakira da kanka Anakira. kirana Nothing. Nace, Tede da Putin, Putin, Libani Karo Kalashnikov, Nikov, Balai Hip Hop, Hip Hop, Nake Lodi Kaman Pico, Kazoka Jiwaka, Wada, mata Kata Shinto, Tanaka Hip Hop, Twarakapa da Trito, Kubamba Tawaka, The one Naga huama da Sarka, Sarka wanda ga the wanda dare shi ka saka na biga yuna da baibiye dun na tabo suna lauliye ai wasu sun rasa ko biye kai ma wai ai wasu sun rasa ko biye bara na shi hutu na sha sero ka sha burukutu ah. ina halba kuta gudu gudu cikin na rasa na ka hudu hudu oh. mai magana nike ke bayan na ke na da kada ai gayun na rike na kada oh. mai magana ni ke Gayiza zo, fenome basaya zo, kajini kasani, kasanda inana hito, kama njia, inaza kanaza kawaza ya imagana, kama njia, aux femmes du studio Kalangu pour le loti du jour. En effet, ces derniers temps, l'on constate une variation de températures entre la journée et le soir. Et en cette période, il est nécessaire de bien protéger les enfants pour les préserver de toute maladie liée à la saison. pas que Tabdraman et Reki Arimi. affairage, affairage. que je vois courir dans tous les sens là, en plus, il ne porte ni vêtements ni chaussures. L'allée Barira, sois la bienvenue d'abord. Hmm. Tu vois non comment Adnan est têtu comme une mule. Il n'aime pas du tout s'habiller, même avec ce froid-là. Mais bon, tu sais, mon enfant est robuste. Hein. Et eh, à la voisine, comment tu peux dire cela Tu ne sais pas que cette période de froid est propice aux infections respiratoires <laughs> Lele, depuis qu'il y a infection de respiration aussi, hmm. on aura tout entendu avec toi. arrête tes blagues. Pas toi qui es venu chercher l'assistance la dernière fois quand ta fille Mina toussait. Tu te souviens Elle avait la fièvre et les narines bouchées. Comment oublier ce jour toi aussi J'ai cru que j'allais perdre ma fille. Mais où est le rapport Les docteurs ne t'avaient pas dit que Mina souffrait de pneumonie, une maladie respiratoire Ah oui, je viens de me rappeler à présent. Tu sais, ce jour-là, le docteur ne m'a même pas donné les raisons de cette maladie. Écoute, madame, peu importe qu'il te donne les raisons ou non, tu ne dois laisser tes enfants tomber malades. Ils sont vulnérables aux infections respiratoires aiguës comme la pneumonie et les autres allergies respiratoires. Pour te dire que toutes ces maladies sont causées par le froid et avec cette poussière. Ah bon Hey, Adnan, viens vite, je vais aller te laver tout de suite. Comme ça, je vais t'habiller et il ne faut pas que tu tombes malade. Hé, hey, hé, hey, hey, attends, pas tout de suite. Il faut les laver quand le temps est ensoleillé. Il faudra ensuite bien l'habiller avec des vêtements chauds, de préférence en coton, jarre, pullover, des bonnets pour protéger la tête et les pieds avec les chaussettes. N'oublie pas d'utiliser des couvertures chaudes pour les couvrir la nuit quand ils dorment. Tout cela te permettra de protéger tes enfants contre les maladies respiratoires liées à matin. En plus, tu n'as pas à les laver tous les jours, une fois tous les deux jours suffit. En tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. Cette fois-ci, je ne laisserai pas du tout Adnan attraper une de ses maladies. Compte sur moi et merci beaucoup, voisin. Ah, en tout cas, fais gaffe, ma chérie. Sinon, Merci les braves dames pour vos multiples conseils. Suivons maintenant à Yanli pour la culture linguistique. Le mot du jour est violence. Bonjour Yanli. Bien sûr, Mariam. bonjour. Bonjour Habiba. Bonjour Niali. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre rubrique culture linguistique de ce jeudi 28 novembre 2024. Comme indiqué, notre mot du jour est violence et je rappelle également que nous sommes dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres. Ce mot violence a été expliqué en français, en anglais, en germain et en hausa. Aujourd'hui, nous allons essayer de l'expliquer en fulfulde. Bandrabe barkinaɓe be sigilaji studio kalangu e niger sur kalangu ko weti e muɗum hande alkamisa lasu e jeetati lewru novembre hitande ujuna ɗiɗi e lasso e nayyi miɗen tawa duni fa hannden dow sigila nantinde kongi to min mbiyata on on jaɓɓama konngol francire hannden gol min nantinta kan woni violence nder fulfulde mbi'en golle hirñere e mardi bondi di debbo na gorko hollete ngam yufude ɓanndu muɗum waɗire nogom laso e joyi lewru novembre batugu enɗen ni waɗa duru duni fa hannden noon ko watta ɗum accat hullude himɓe mardi bondi ɗi enden e golle hirñere ɗe enden miccintinen himɓe duni ko fodde no oms fedde dental leyɗe duniyaru hawjine cellal tagaɓe haaliri ñalowma batugo enɗen ni tarikum muɗum fuɗɗana ni wakkati rewɓe tatogoɗon ni bara ton enɗen clashanki leydi dominique las e joyi lewru novembre hitane duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeegom ɗo du tariki ñalowma o endan fuɗɗi e durogo endan. golle hirñere bandiraɓe kettinaniɓe sigilaji niger sur kala ngu ko neɗɗo holle noon ko neɗɗo dufa hande n wawi hollude hoore muɗum na hollude jama are noon har nawtorade sembe guero na har kulƴinol kulle du noon fa hande nde en daari ko wawi waddude saɗornan cellal misali cellal saɗornan muɗum ni miwune gani hoore nadu fa hande wattude kulal nder ɓerde neɗɗo fa yetto to neɗɗo wawa natude jama are degon du ɗum wawi yettanade jomum Collado mardi bondidi enɗen ni mayde denne golle hirñere ɗe enɗen ni e mardi bondidi enɗen ni ko woɗano ko duni fa hannden kanuɗen duro samsam ɗum acce caka himɓe en duru du fa hannden ko watta golle hirñere ɗe enɗen ni acce caka meɗen ɗo enɗen acce du fa hannden cakka wondiraɓe meɗen bandiraɓe hettinaniɓe sigilaji niger sur kala ngu ɗo min darto min mbiyata du kay fa jeɗɗira on barkini voilà tout pour aujourd'hui mariam et habiba Merci Nieli pour tous ces éclaircissements. Merci et bonne continuation. Merci. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir les explications en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou même en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. Justement, Habiba, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. abubakar abdou guete mo joɗiɗo ɗo gende agades mi yiɗi mi hokka ra'ayi am dow studio kala ngu siriji mabɓe no woɗi sanne emen ɗumen e nana belɗum majji hakko siri ɗum ɗum ɓe ƴetta tous ala fada min jiɗi ɓe omta chaniji nder gende niger fou nder sous région ɓe ɓeyda gendi bebe da shaniji jimaɓe sosai. Suna na garje mai askin karago a nan garin Bande. Ni mai sauraron gidan rediyo Cidiyo Kalangu a bisa da ariyar gidan rediyo Ikirawa. Abin da yake burge ni wannan shirin na matasa da kuke yin shi sosai yana burge ni. Ana sauraron shi. Ina gaida Audu Ramman yayi wanda yake garin Alhaji Kadau. Ina gaida Abu Kwanciya wanda yake nan garin Bande. Ina gaida Ilu na ayaya garin Kadau. Sunana Lawali Tasu. Gaskiya labarin Cidiyo Kalangu muna jin daɗin shi. babu redon da muke saurare kamar stereo kalangu kuma muna jin daɗin shi sosai gaskiya muna jin sosai muna jin daɗi fiye da ba mu tunani saboda gaskiya yana mana daɗi sosai sai dai kuma muna fatan Allah ƙara muku arziki kuma Allah musu ƙwarin gwiwa yin wannan abubuwa sunana ajiya rakiya garba mazamniyar anguwar mayanka to yanzu abin da ya burge ni bisa cikin harka emission ɗin gaskiya mun shi daɗi na studio kalangu gaskiya ra'ayinsu da suke gaskiya ya burge ni sosai ma tunda biskan harkar rayuwa na mata da na matasa ne kenan wanga abin ya kamata a karfafa shi yau ma ba ma mata ba matasan ga na zamani gaskiya ana son binkice a saman su kuma ana so sosai ma a waye musu kai tunda yanzu in musamman in kika ɗauki harkar shaye-shaye yanzu yanzu yara daga shekara sha bakwai kika ɗauka zuwa talatin da 35 gaskiya haraka sai dai mu ce dai alhamdulillah Allah dai ya kare za a ci kuma sai dai addu'a amma yanzu shayi ya yi yawa ki dauki da fannin ekwal daga fannin a cikin gari abin alhamdulillah sai dai a ce dai godiya ta tabbata ga ubangiji yara sai addu'a ni dai ina fata ga studio kalangu su ƙara wanga emission din a ƙara ba shi ƙarfi a ƙara ba shi ƙarfi tunda bisan matasa ne kuma in aka ce matasa su ne garkuwar rayuwar al'umma sunana Basiru rabiu Eto eh gaskiya labaran studio kalangu sosai muke sauraron shi kuma mun gamsu da shi dari bisa dari saboda ta bangaren shi muke samun labaran da suke zuwa suna zuwa Eto eh a gaskiya labaran nasu babu wata jita jita labaru ne na kwarai na gaskiya da gaskiya saboda mun gamsu da shi sosai mun yarda da duk abubuwan da suke gai gaskiya ne shi ya sanya muke sauraron shi kuma muka inganta shi sosai ina sauraron kalangu ta hanyar rediyon igirawa wannan shirin da suke na mata na wayewa kai iya birge ni inda hali a kara mai lokaci gaskiya na birge ni wannan shirin kuma kamar shirin da suke hudin lambobin wannan nasu halla ko suna faɗin lambobi suna cewa a kiraye su ta wannan shi ma wannan iya birge ni gaskiya yana yana ƙayatar da ni ina gaida majar kinmu Aminu Mayana a Magariya ina gaida yan gidan rediyon Kitari da haɗin kai to kuma a nan bandi ina gaida Alhulani Hatsuma Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et moi-même Maria Marie. À la technique, nous avions Seni Isaka et Adam Adawa qui notre chef d'édition. Excellente journée à vous. Bye bye.